commencer. Hein? Bon. Nous avons de que. yeah. Jesus.

na kuwepo isso wokovu tudo na uolevu. Quand arriva la fête du septième tout où le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. On demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait donné à Israël. Alors le père Esdras apporta la loi en présence de l'assemblée composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du septième mois. Estras tournait vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune en bois, construite tout extrait. Esdras ouvrit le livre, tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand espace, bénit le Seigneur, le Dieu des Et tout le peuple, levant la main, répondit. Amen, Amen. Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Les Lévites expliquaient la loi au peuple, pendant que celui-ci demeurez debout. Estras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donner le sens et l'on pouvait comprendre Némi, et l'on pouvait comprendre Néhémie, le gouverneur, Estras qui était prêtre et et les Lévites qui donnaient les explications dirent à tout le peuple, ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore, allez, mangez les viandes savoureuse, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de vrai. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne pleurez pas, la joie du Seigneur est votre part. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, Taisez-vous, ce jour est saint. Ne pleurez pas, et tout le peuple s'en manger, boire, envoyer les parts et les, livrer, et se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait proclamées. Parole du Seigneur Tout-Puissant. à ses disciples, Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes Il répondit, Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit, Et vous, que dites-vous pour vous, qui suis-je Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole, à son tour, Jésus lui déclara, Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les puissances de la mort ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne ce, de ne dire à personne qu'il était le Messie. catholique d'Angers en France, révérend l'abbé Thomas Mbaye, euh, vicaire épiscopal chargé du temporel, révérend abbé Vincent Saint-Curé Doyen, autorité diocésaine, monsieur le préfet de Bambay, monsieur le sous-préfet d'Ongoy, monsieur l'adjoint au sous-préfet d'Ongoy, chers prêtres, chers religieux, religieuses consacrés, Imam Daou, représentant le Khalif général de Tidjan en Gascogne, messieurs les chefs de village, chères autorités, chères personnalités de tous ordres et de tous grades, amis croyants, frères et sœurs en humanité et en Dieu le Père. Je voudrais m'adresser à chacun et à chacune de vous, auguste assemblée de croyants, pour exprimer les sentiments de cordiale reconnaissance de toute la communauté paroissiale Notre-Dame de l'Annonciation de Ngascope dans toutes ses constituantes et composantes. Il ne fait aucun doute que si nous sommes réunis ce matin pour procéder à la bénédiction de cette nouvelle chapelle saint marc de batal il y a bien quelqu'un de fort et de puissant dont les bienfaits et largesses sont inépuisables, qui nous en a donné la grâce. C'est indéniablement le Seigneur notre Dieu à qui nous devons louange et action de grâce. Que son nom soit béni et ses œuvres si magnifiques soient sans fin exaltées. Unissant sans cesse nos cœurs au vôtre, son excellence, nous rendons grâce à Dieu par Saint Marcel, patron de cette chapelle et en même temps patron de la CEB de Batal. Par Marie également, notre mère, Notre-Dame de l'Annonciation, guide et modèle de notre paroisse de Ngaskop. Oui, loué soit le Seigneur qui a permis la réalisation effective de ce projet de construction qui, depuis la pose de la première pierre le 28 décembre 2012, vous n'avez cessé, Son Excellence, d'encourager ce projet et de vous soucier véritablement de l'avancement des travaux. Soyez profondément remerciés pour tant de sollicitude et d'attention. De surcroît, Son Excellence, vous nous avez adressé des paroles pleinement nourricières pour notre croissance humaine et spirituelle. Des paroles fortement stimulantes dans notre dynamique de bâtir une église famille de Dieu en Gascope, missionnaire et lieu de communion. Merci, Son Excellence. Nous adressons également nos profonds et cordiaux remerciements à vous, haute autorité et personnalité, qui nous faites l'honneur de votre présence, signe plus que tangible de la considération et de l'estime que vous avez, non seulement pour notre communauté chrétienne, mais pour tous les habitants de nos localités, toutes appartenances et sensibilités confondues. Merci à vous, Monseigneur Cossès Blanc, recteur émérite de l'Université catholique d'Angers en France au préfet du département de Bambay, au sous-préfet de à son adjoint, au maire de Ngoy, au référent Père Alfred, curé de Malève en Belgique, et à Xavier, son paroissien, que je salue avec cordialité. Le présent samiou s'inscrit dans une optique ou dans un élan de nouer un jumelage entre nos deux paroisses mais aussi dans une dynamique d'échange d'idées qui concourront certainement et à coup sûr à la réflexion agrandissement de la case de santé de Gascop, non fonctionnelle malheureusement depuis des décennies. Merci aux confrères prêtres religieux, religieuses venus communier à notre action de grâce. Merci aux paroissiens de Fandenne et au curé Abbé Jean-Marie John. Chers amis de Fandel, nous sommes heureux que nous soyons, que nous ayons le même protecteur, Saint Marcel le martyr, pape et martyr. Merci à nos amis Ibrahim Diouf, le proviseur Ngoy, le proviseur Ngascop. Merci à vous tous et toutes. Si donc cet édifice, lieu de prière et de célébration, de louange et d'intimité avec le Seigneur a vu le jour, c'est bien assurément grâce aux efforts soutenus et au sens de la solidarité de tant de personnes d'ici et d'ailleurs. Ils sont nombreux ceux et celles qui ont largement contribué à l'édification de cette chapelle. Vous me permettrez, chers amis, de faire mention de quelques-uns dont je ne saurais taire leur nom, vu le degré d'engagement et d'implication et toutes les énergies déployées pour cette cause. Les OPM, œuvres pontificales missionnaires, Monseigneur Claude Cesbron, notre bienfaiteur, notre ami et frère en Christ, que vous dire, Monseigneur Cesbron, en ce moment précis, sachant bien sûr les mots peu significatifs et peu signifiants pour vous traduire de manière nette toute la teneur et l'immensité de la gratitude que nous vous devons. Je sais, je sais combien cette chapelle de bataille vous a tenu à cœur et tout le combat que vous avez mené et que vous continuez à mener pour que ce projet réussisse. Et ce, avec enthousiasme, perspicacité et détermination. Le tout enveloppé d'une humilité et d'une discrétion sans égale. Merci, Monseigneur Cesbron, merci infiniment. Nous vous serions gré de bien vouloir transmettre à tous vos amis et à toutes les braves gens alors mobilisés et que vous ont rejoints pour soutenir cette œuvre d'Église. En tout temps et en toutes circonstances, nos prières vous accompagnent. Vous êtes euh, des nôtres, Monseigneur Cesbron, et vous serez toujours des nôtres, comme les paroissiens vous l'ont signifié et répété à plusieurs reprises et en diverses circonstances. Cette nouvelle chapelle est à coup sûr le fruit d'une somme de générosité, d'un mélange de savoir-faire et d'une collecte d'expérience et d'expertise dont nous avons grandement bénéficié de part et d'autre. Un merci de cœur à M. l'abbé Ambrostine, économe diocésain, qui a facilité et diligenté les travaux de construction. En même temps, il n'a cessé de prodiguer conseils pour ajuster ou réajuster en vue de rendre ce lieu de prière plus beau, plus gai et plus propice au rendez-vous avec le Seigneur. À ce merci, nous associons le comité diocésain de pilotage des projets, toutes les âmes généreuses, les mouvements et associations, les ONG, les établissements, sociétés et entreprises, tels que CETA International et Borom Medina International. Henna Fure Africa, avec Mme Agnès Benz, dont nous admirons et apprécions la magnanimité et le souci du développement intégral de l'homme. La Berbrose vous direz bien Agnès filmat. Nous remercions les donateurs anonymes, Batal Mafieté, les amis de l'ALB, les diocésains de Saint-Claude, Madame Marie Gaillard, tous les ressortissants de quelques endroits où ils se trouvent, les paroissiens, les familles. Grâce à l'appui solidaire de tous, mais aussi à la bravoure et au talent des uns et des autres, nous avons, nous pouvons admirer la conception et l'architecture simple et modeste de cette chapelle. Merci à monsieur l'architecte entrepreneur Mamadou Faye et à tous les techniciens du bâtiment qui se sont investis tant intellectuellement que physiquement pour nous construire et nous obtenir ce joyeux. Maçon, carreleur, peintre, électricien, plafonnier, menuisier bois et métallique, plombier. Ces vifs remerciements s'adressent également au centre Don de Thiès pour la confection des bancs et autres accessoires liturgiques. Oui, beaucoup ont œuvré de façon efficiente Comment ne pas dire merci aux équipes pastorales qui se sont succédées à Bamblé et à Rascop et dans un passé tout récent, les curés Charles, David, les abbés Toubi et Jean Jou. Comment ne pas évoquer la mémoire de notre cher regretté Pierre Seine, figure marquante et historique de cette communauté ecclésiale de base, qui a entrepris diverses et multiples démarches en vue de l'acquisition de ce terrain sur lequel est implantée cette chapelle, du haut du ciel, nous en sommes convaincus, il prie pour nous et nous obtient du Seigneur grâce et bénédictions. Autant il est évident que la construction de cette chapelle a nécessité la synergie des forces et la conjugaison harmonieuse des compétences, autant il est certain l'organisation de sa bénédiction a fallu absolument la mobilisation de tous, sans exception, ainsi qu'une symbiose bien orchestrée des savoir-faire et la générosité agissante de tous. Et je voudrais exprimer notre merci profondément reconnaissant à monsieur Mamadou Tchandoum, sous-préfet de Boy, et à son adjoint Léopold Diop. Monsieur le sous-préfet, le 11 avril 2019, sous votre impulsion, nous avions tenu un CND, Comité local de développement décentralisé ici à Batal, pour réfléchir sur toutes les questions afférents à l'organisation de cette cérémonie de bénédiction. Nous savons combien vous êtes plein d'attention envers nous, vos administrés, dont vous êtes proches. Nous estimons à quel degré la réussite de cette cérémonie constitue pour vous une préoccupation et un défi que nous devions de relever ensemble, en impliquant toutes les forces vives de notre terroir et en sollicitant le concours solidaire des services publics et extra. Tous ont répondu à l'appel et ont joué de façon cohérente le partition. Que tous pour ici l'expression de notre chaleureux merci pour avoir accepté de collaborer et de fédérer et pour l'engagement tout à fait remarquable. Je sais monsieur le sous-préfet, comme aussi votre adjoint s'est investi, qu'il soit vivement remercié. Merci à monsieur le ministre Augustin Thune pour son appui financier considérable. Merci au maître Ngoy, notre ami et frère Elifal, et à ses collaborateurs pour leur contribution très appréciée. Merci à notre ami Ibrahim Douf. Merci à M. Mbaye euh, Touré. Merci à M. Djiptine euh, pour son soutien inestimable. Merci. Merci au Père Marcel euh, et à tous les pères natifs de notre paroisse pour tant de sacrifices diversement consentis. Merci aux sapeurs-pompiers de Bambé à la gendarmerie de Bambé, au ASP pour la couverture sécuritaire, au service d'hygiène, à la Croix-Rouge, au district de Bambé, au dispensaire Saint-Martin de Bambé, au poste de santé de à la case de santé de Batal pour la couverture sanitaire. Merci à notre ami, le vaillant, le vaillant docteur Kali, médecin chef du district de Bambay. Docteur, j'ai eu hier la joie d'accueillir et de recevoir une délégation que vous avez envoyée, conduite par Madame Angèle Douf. Merci beaucoup. Merci aux CRETES, au centre des handicapés, au conseil départemental de Bambay et à toutes les associations, toutes les personnes, tous les groupements pour le prêt et la mise à disposition de notre matériel, chaises, bancs, tables, bâches, etc. Merci à tous les ressortissants et à toutes les personnes, aux familles de la paroisse et d'ailleurs, qui ont soutenu matériellement et financièrement cette fête. Dons en d'arrêt alimentaire divers, riz, huile, beurre, chers amis, euh, tout est bien assemblé pour un bon régal. Merci à personnes qui sont dépensées et dévouées dans l'ombre pour prêter main forte. Elles sont plus d'une. C'est tout un collège qui a réfléchi autour de l'organisation de cette fête de bénédiction. Et depuis plusieurs mois, quasiment tous les mardis, je voulais dire un merci particulier à toutes les commissions qui qui ont été mises sur pied les remercier pour leur efficacité et leur sens de la responsabilité. La coordination générale, les finances, les démarches administration, restauration, sécurité, installation. Oui, merci installation. Environnement, propreté, accueil, service eau, service d'ordre, service stable, restauration, équipe sans frontières, décoratrice, liturgie avec une mention spéciale au choral paroissial, cocher par la d'or, qui depuis des semaines enchaîne répétition sur répétition, malgré les aléas climatiques, malgré la chaleur. Chers choristes, bravo. Merci aux servants d'hôtel, aux lecteurs, merci aux ceux qui ont orné l'église, sœur Agnès, sœur Jackie, leur équipe aux sœurs de Bambay. Fraternel merci, fraternel merci aux cérémoniaires, à Jean-Marie pour la disponibilité, la clarté et la précision. Je voudrais que soit vivement remercier tous les membres du C4, collectif des enseignants commerçants et autres travailleurs de, la part de Gascop, pour leur engagement sans faille à soutenir toutes les manifestations et activités qui vivent pour la vie paroissiale Monsieur Avicenne et Blessène voudraient bien transmettre notre merci merci à vous tous et toutes qui êtes venus d'Horizon divers vivre et partager avec nous ces moments de bonheur dans le Seigneur merci à nos amis de Dakar l'association Ave Maria yéen ñëpp ba ñu jógee fu nekk ñu tey fii nii ndax te dugg ñun bésu tey di bésu màggal ak gërëm yàlla la ci njëkk yi mu ñu defal ñun waa Paawasu Ngascop ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen ñëw ak ci seen teewaay laata ma bëgg léegi nag bëgg naa gërëm waa Ngascop yëpp Paawasu Ngascop ñiy wàcc bés bi di sant ku nekk ci ñoom ci coono yu bëri yi ñu nangu daaj lépp ngir màggal bés bi gis nañu waaw mujjee nañu gis mànkoo ak soow yi lépp ngi lépp jëm kanam di gërëm suñuy mbokk sëriñ yi jàpp nañu bu baax a baax tey mbir mi ni seen fi ñu ootee fekk nañu foofa loolu wone na kóllëre ak coofeel gi dox ci suñu diggante kóllëre ak coofeel googu lee may yàlla la te waruñu ko sàgganee dañ ko war a sàmm bu baax a baax bu ñu déglu ñi nga xam ne dañuy féexale nit ñi di yàq diggante nit ñi merci aux amis des médias ak Bambey TV ak rajo Fissel njoko njal waa ngaskop nañu nañu yàlla barkeel la ba ñu gën a sax ci tabax mbootaayu kerceen bu di seedoo bennoo bi di seedoo déggoo jàngu jàngu masu kenn mujje moos jàngu ngas Je vous remercie tous et toutes de votre attention. Je vous remercie tous. Merci, que la journée soit belle. Bonne fête à tout le monde. Oui, soyez les bienvenus. à C'est une joie profonde c'est avec une joie profonde que ces mots jaillissent de mon cœur et de mes lèvres. Et c'est toute la communauté chrétienne de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation qui, par ma voix, vous dit bienvenue. Nous, chrétiens et musulmans, habitant toutes les localités qui couvrent les limites de notre paroisse, comprenant juridiquement toute euh, la commune de Goye, sommes très heureux de voir cette belle assemblée de frères et sœurs venus de tous les coins pour magnifier et célébrer avec nous les merveilles et les largesses de notre Seigneur. Nous, paroissiens de Gascogne, membres de la communauté ecclésiale de base Saint-Marc de Batal en particulier, nourrissons cet ardent vœu que cette célébration qui nous réunit dans la foi, la ferveur et l'action de grâce porte tous les fruits spirituels espérés. Et c'est soit pour chacun et chacune de nous source de bénédiction divine. mbokk yi ak mbégte bu rëy rëy ñu ngi leen di àggal ak jàmm ci tuuru kuréelu suñu paroisse ci tuuru Bac et Loi Sène njiitu CEBC e Marcel Batal ñun ñëpp waa paroisse Ngascope ñu ngeen di talal ak jàmm ñun kercen ak sëriñ yi dëkk fii ci gox yi ñu ngi rafetlu seen ñëw ak seen tewaay ñu ngi dagat yàlla ndax barkeelu jàmm bi ñu fi tax a daje tey doon yiw ak barke ci ñun ñëpp te lépp lu fi mën a jëlee mu gën di dëggal mu gën di findali suñu ngëm suñu toofeel ak suñu yaakaar ni ki gëm Nous Mariam notre dame de l'Annonciation ak Marcel mu solennel l'Esprit, euh, de la vie et de l'évolution de notre paroisse inspire un château de désir de croître véritablement et sans cesse dans la foi, la charité et l'espérance. À tous et à toutes, grâce et paix, belle et brillante célébration avec des caisses. Excellence, Monseigneur Chebron, notabilité religieuse ici présente, en vos qualités, titres et rangs, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Goy, Monsieur l'adjoint au sous-préfet de Goy, je n'oublie pas bien entendu les délégations conduites par les représentants des maires de Goy de Nagama et celle de la présidente du conseil départemental qui vient de nous rejoindre. Messieurs les chefs de service qui m'accompagnent ce matin, dont le docteur Kali, médecin-chef du district sanitaire de Bambay, le commandant Koundoul du centre d'incendie et de secours, chers fidèles de la paroisse de Ngaskop, population de Badal, population du département de Bambay. Monseigneur, je voudrais, avant de prononcer mon discours, dire à Abbé Grégoire que votre vaillant ami, le docteur Stander Kali, me fait dire que la case de santé de Gascop sera bientôt fonctionnelle parce que le personnel chargé de cette case vient d'être formé. Excellence, Monseigneur agrégué, je voudrais ce matin dire toute la joie que j'ai d'assister à cette cérémonie d'inauguration de la chapelle de Bavard. Pour deux raisons. La première, c'est qu'elle nous donne l'occasion de renforcer notre foi, mais également de nous rappeler les paroles saintes. La seconde, c'est que j'estime que ce matin, nous sommes réunis pour, pour une action de grâce. Donc je voudrais joindre ma voix à celle des religieux pour rendre grâce au Seigneur qui nous a permis ce matin d'être là, mais également qui a donné l'intelligence, la force et le courage à toutes ces personnes qui ont contribué à l'érection de cette chapelle la foi de l'Évêque. Je voudrais également vous transmettre les salutations fraternelles de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui, comme vous le savez, ne cesse de nous rappeler les relations privilégiées qui le lient avec les religieux d'une manière générale, mais également son attachement au respect de la liberté de culte cette volonté, cet engagement se manifeste à chaque fois qu'il a l'occasion d'échanger avec les religieux. Mais également, cela s'est traduit par une initiative que tous les Sénégalais saluent. C'est ce programme dédié à la modernisation des sites religieux dont euh, euh, à la la sanctuaire mariale de Pogonguil a bénéficié au même titre que d'autres foyers religieux. Je voudrais également profiter de cette opportunité pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'élection de cette charte. L'on a cité tout à l'heure Monseigneur Chevron, mais également d'autres personnes je voudrais donc prier le Seigneur pour qu'il leur donne de vie, santé, mais également prier, prier le Seigneur pour que la chapelle que nous venons d'inaugurer puisse contribuer au rayonnement religieux de notre pays, mais également renforcer notre foi, contribuer également à cultiver la paix que le Sénégal a comme aspect le plus cher. Je voudrais ici et maintenant dire à toute la, communauté toute notre disponibilité à faire en sorte que ces préoccupations soient correctement prises en charge. Je voudrais également, pour finir, Monseigneur, faire une confidence. Je le disais tantôt au sous-préfet de Mboy, que les cœurs du manière ne me laisse jamais indifférent. Parce que je l'ai vu comme étant une source de spiritualité. Et cela ne devrait pas aussi surprendre, parce que dans mon temps enfance, c'est que mon berceau de Lalane à Koudjadien, en passant par Tchaoul, Ndjobé, mais également Fandel. donc pour dire simplement que ñu ñëpp ko bénn parce que kaddu yàlla fu mu jug ak fu mu mën ci jugee ñun ñëpp dañ ko war a teewlu dañ ko war a rafet di wax aussi que ni Sénégal dafa am loo xamante ni dañ ko war a ndamoo dañ ko war a bàkkoo parce que ñenn ñi sax dañuy wax dialogue islamo chrétien mais man dama ni dépassé nañ foofu je suis une parfaite illustration de cette symbiose parce qu'une bonne partie de ma famille est de confession chrétienne donc c'est pourquoi je disais tantôt que c'est que mon bercé dans mon tendre enfance donc nous y aussi di dëggal li nga monseigneur wax que bokk na ci sàmm ko mooy setal ko bokk na ci sàmm ko aussi mooy aar ko te loolu yaakaar naa ni diine yëpp am na luñ ci wax lu am solo lu jëm ci sàmm ak setal néegu yàlla waaye aussi lu jëm ci setal d'une manière générale ma ci profito di jokk sama kàddu ci li nga xamante ni chef de l'État am na ko comme ambition te mu fédéliko bi nga xamanteni mom ci lay def discoursam ci investiture mu ñuy wo di ñu ñaax pour que suñu cadre de vie ñu gën ko pour que lepp lo xamanteni luy gakkal la wala luy tilimal képp ci ñun taxaw def ci li nga xamanteni mom mo ci mom mo ci war té lolu yaakaar naa ni comme ni ma ko waxee sànq religion boo gis cet daf caa donc bu ñu jëfee déjà li nga xamante ni moom la ñuy suñu religion yi digal du sax jar ñuy xaar ci sous-préfet wala ci maire muy ñëw di sensibiliser nit ñi donte loolu jàpp nañ ni day gën a rafetal donc ku ci nekk ci ñun war na jéem jëmtalaay kàttanam ba loolu nga xamante ni chef de l'État am na ko comme ambition ñu mën ko jëmmal loolu ci lu gàtt ci laa amoon ay kàddu di ko wax di sant di gërëm encore une fois ñu wax ko ci wolof monseigneur tey nga ubbi moom ni ngeen koy waxee ngeen doon euh, jëmbal borom bi euh, makkaan bu bees bi ngeen ko fi defal tey loolu dafay wane ne église bi mu ngi dox ci diwaanu Njaañ bi. ni nga ko waxee noonu la dañuy jébal yàlla li yàlla moom te moo ñu may moyen moo ñu may pexe ndax ñu tabal ko sampal ko fii këram kër gu sell ni ma ko waxee sànq. barkel la du pour chrétien yi rep yépp waaye ku dëkk bi yépp la parce que si ñuy jaamu yàlla fi ñuy jéem a jaamu yàlla ñu ko yàlla bëggee defe naa teraang rek ñoo fa mën a wàcc ak yiw ak maye yàlla kon loolu wane na ne chrétien yi fii ci diwaanu batal ah ñu ngi wane seen mën-mën te taxaw nañu ci ngëm gi ndax ku amal fi église loolu moo wane ne chrétien yi bëgg nañ ko jàpp nañ ko ànd nañ ci te ñu am ñeneen ñu ñu leen jàppale ndax yéene yi mën a mataliku kon nañu sant yàlla tey ci lii ma encouragé chrétien yi fii ndax ñu gën a dëgër ci li ñu nekk dan ñu gën a participer itam ci développement euh, commune bi ndege fi église bi taxaw nit yi itam war nañu euh, euh, war nañu am féex war nañu am noflaay ci ay difficulté ay problème yu bare. diggante euh, li nga xam ne ci école bi la jëm ci wàllu catholique yi mu am école boo xam ne ni dafa doon tere muuraay coow dugg ci ba diggante layika bi ak ñenn ci diwaan l'islam bi ñoom tamit euh, mu mel ni coow mu ngi bëgg a jóg yow lan ngay yëkkati ci comme kàddu ci. waaw coow li am na waaye bu ñu ko yaatal. Eh, jox ko jëmm ji mu amul mu ngi xew ci cadre benn école ko yemale foofu li ñu war a regretté la ndegee fii ci Sénégal dine yi ñu ngi woon ñu ngi ci jàmm ba tey eh, ñàkkul difficulté loolu même ci njaboot bu nekk day am jafe-jafe bu euh, takkee rek dañu ko mën a arrêté loolu nañ ko moytu nañu jiital waxtaan nañu jiital xarito nañu jiital surtout sàmm ndoono bi fi maam yi bàyyi maanaam euh, jàmm ak joxante cër ci diggante diine yi kon euh, ñi war a wax ci mbir mi wax nañ ko wax nañ ci déjà ñun fi biir sax wax na ci dama ci dellu lu dul ootee ndax ñu aar jàmm ji entre musulman ak chrétien yi ba lépp li nga xam ne dafa nar a yàq ñu moytu ko te yàlla bu ñu ko ñaanee yàlla yàlla dinañ ci jàppale bu baax. laaj bu mujj bi jëm ci li nga xam ne moom mooy. merci non c'est trop non c'est trop quand même non. non non il doit manger la messe xam ne moom la bi jël di dogal ne lépp lu nga xam ne jëm na ci abus sexuel ci église bi dañ ko war a euh, fi mu du saa église bi mais société bi yëpp daf ci war a taxaw parce que lii gañ xale réew mi war na ci taxaw eh, diine yi war nañ ci taxaw église bi itam war nañu taxaw pape bi taxaw na ci ñun Sénégal taxaw nañ ci itam ndax eh, mbir yooyu fu ñu mënee xew rek église bi jël matuwaayam jël na ko déjà ci ay sart yu leer eh, du ñu bàyyi mukk jëf yu ñaaw yooyu mën a law ci biir église bi ndege bu fekkee ne. ay kilifa ñoo koy def ñooñu ah euh, turu kilifa diine jomb na leen moo tax war ñu waxaar sax yoon tegu ci seen kaw dañoo war a euh, jël euh, seen responsabilité wax li ñu mën a li ñu def te vraiment ñu ñu ñu dellu ci seen xel ne responsabilité bi ñu am jomb na leen. merci merci merci beaucoup. Vale, sigo. Espera. É. Vai ter uma pipa de verbo aí, aí que é um docu. É, é, Luiz, Luiz, Ah. Aí, meu Ça va bien. Voilà. Ça, c'est beaucoup de moment. tu vas retrouver ton papa. Euh, tu vas retrouver ton papa, Claude À tout à l'heure. Ah, ah, ah, moi, il est. Allez, beneen beneen mën. gars yi kontaan nañ de. waaye non vamos benn vamos il vamos grand. Babacar moom. da nga TV. ci Facebook. Thank you. はい。 monsieur Dieng ñu ngi sàkku sa ñaan merci yàlla barke liggéey bi ñu ngi góorgóorlu merci beaucoup noonu la ñaanal bu baax noonu la def moom yàlla rek moo leen mën a fay waaw da leen yàlla fay liggéey bi moom journaliste moom euh, bokk na ci lii saxal jàmm ak cofeel ci diggante nit ñi amiin amiin yàlla jàppale bu baax amiin a jàppale ci liggéey ngeen gën teew jërëjëf saa su nekk fu nekk ngeen ngeen war a teew jërëjëf merci beaucoup merci Modou Ndiaye. merci merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup. ah oui oui merci beaucoup oui merci. éduqué par les médias. merci beaucoup merci beaucoup merci. oui euh, oui. Euh, on défend la l'église.